Chères auditrices et auditeurs, bonjour. C'est un bonheur de vous retrouver à ce rendez-vous Le Niger sur Kalangou, l'émission qui vous fait voyager dans tout le Niger en une heure chrono. Je suis Olivier Assobari avec moi, Salamatou Kadri Sali. Comment vas-tu ce matin Je vais super bien, Oli Choco, et j'espère pareil pour toi aussi. Bah, Dieu merci, je vais bien. Sans plus tarder, passons au menu de cette émission Le Niger sur Kalangou ce matin, nous commençons d'abord avec le Flash Info. Nafisa Adamou Sirfo est là pour cela. Le sport sera assuré avec Adam Sariou. Et nous allons poursuivre avec la rubrique culture linguistique, puis la rubrique hebdomadaire consacrée à l'éducation et celle du reportage en région. Aujourd'hui, nous irons dans la région du manga au lit. Sans oublier notre invité du jour en la personne de Mamadou Lamine Abdulkader, membre du bureau national de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Au fait, Olivier, nous avons deux invités aujourd'hui. Notre portrait d'aujourd'hui, c'est Ferran en direct et c'est le guitariste Abdoulaye Ekawal, alias Kibidi, que nous accueillons. Pour assurer cette émission, nous ne sommes pas seuls. La technique est assurée par Amina Hassan et Adama Dawaki, notre chef d'édition. D'entrée d'émission, nous recevons notre invité du jour. Notre invité est un entrepreneur. Son nom, Mamadou Lamine Abdulkader. Kader Lamine, pour les proches, est fondateur de l'entreprise S3D Niger et membre du bureau national de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Kader Lamine, bonjour. Bonjour, Studio Kalingo. Nous sommes heureux de vous avoir. C'est un honneur aussi pour moi d'être euh, sur votre studio. Merci beaucoup, Monsieur Kader. Avec lui, nous allons aborder le Fonds national d'appui aux petites et moyennes entreprises. Chers auditrices et auditeurs, le Niger sur c'est maintenant. Et nous commençons avec le Flash Info avec Nafisa Adamou Sirfo. Nafi, bonjour. Bonjour tu T'as quoi pour nous aujourd'hui Alors euh, aujourd'hui, nous débutons ce Flash avec un mot d'éducation. La semaine du 9 au 16 février, les scolaires nigériens commémorent le 33e anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990 au cours desquels trois scolaires ont été tués. Aujourd'hui, ces scolaires effectueront une marche vers les tombes des défunts où des prières collectives seront dites pour le repos des âmes des martyrs. Autre actualité, à Niamey se tiennent hier et aujourd'hui les travaux de validation des outils de collecte des données du cinquième recensement général de la population et de l'habitat prévu en décembre 2023. Notez que les travaux qui prennent fin aujourd'hui permettront de s'assurer de la qualité des données statistiques, mais aussi de produire des données qui répondront aux besoins des principaux utilisateurs. Nous terminons donc avec une information pas très bonne. Un incendie qui s'est déclenché hier matin dans un marché à côté du stade municipal de la ville d'Ottawa. Les dégâts sont importants selon notre correspondant qui était sur les lieux du sinistre. Comme dégâts, plusieurs boutiques sont parties en fumée. Heureusement, l'on ne déplore aucune perte en vie humaine. Pour le moment, on ne connaît pas l'origine du sinistre, mais les autorités régionales se sont aussitôt rendues sur les lieux pour faire le constat. Eh bien, nous avons une pensée spéciale pour tous nos auditrices et auditeurs de Tawa qui ont été touchés par cette épreuve. Merci, Nafi, pour ce flash info. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée, Nafi. Nous poursuivons le Niger sur Galangou avec notre invité, Mamadou Lamine Kader, entrepreneur et membre du bureau national de l'ANJE. Ben, cher invité, pour mieux vous installer, nous, on vous propose de la musique et nous allons faire un tour à Mélodie avec l'artiste Philo Ladiva. Niger, mais qu'il ne reste qu'un à que notre terre, sous égalité d'intégrité. Nigériens, nous devons travailler, nous sacrifier pour construire ce beau pays. Je t'invite à te lever et viens chanter avec moi cette belle mélodie. Si le Niger est une belle case, oh hey, oh hey, oh hey, oh hey, Si que t'es oh hey, oh hey, oh oh hey. Sada da babu bambanci Keni kema waka Keda baki da ka ama Niger Ta kwanciyar hankali Babu ina da bonne mélodie dans cette émission et c'est ça qu'on aime et j'espère que nos auditrices et auditeurs aussi ont kiffé le titre Niger que vous venez d'écouter est écrit et enregistré par Fayos et Faoubo Akosiwa Philomène Gabriel connu sous le nom de Philo Ladiva ou encore Philo la voix d'or. Oui, Olivier, en 2018, elle remporte le concours de chant karaoké Waki. L'année suivante aussi, elle remporte encore un autre concours de chant, 50 ans de la chanson française. En 2014, elle participe au projet Mouria Niger de l'opération téléphonique Ertel Niger qui a regroupé plusieurs artistes nigériens pour la réalisation du titre Inuité. S'en est suivi une tournée sur toute l'étendue du territoire nigérien qui a permis à Philo de se révéler au grand public. Retour dans ce studio, après cette pause musicale, nous sommes toujours avec notre invité du jour, Kader Lamine. Monsieur Kader Lamine, bonjour. Bonjour. Nous commençons avec cette première question. Comment vous avez accueilli la création du Fonds national d'appui aux petites et moyennes entreprises Ah, je l'ai accueilli avec vraiment joie. Vu que le FONAP est une structure rattachée au ministère de Finances qui a pour... Euh, objectif de promouvoir la création des entreprises performantes et leur proposer des financements diversifiés. Au Niger, la création de ces mécanismes est vraiment une joie pour nous les entrepreneurs parce que ça nous permettra non seulement de pouvoir avoir accès au financement avec les banques, mais aussi promouvoir et faire grandir nos entreprises. Et au niveau des jeunes entrepreneurs, certains jeunes voient à la mise en place de ce fonds une solution au problème de financement des entreprises des jeunes. Faites-vous la même analyse Oui, j'ai fait la même analyse parce que c'est un programme inclusif. J'ai dit cela parce que à travers leur appel à candidature, ils ont reçu plus de 800 dossiers de candidature. Et ces dossiers vraiment viennent de n'importe euh, quelle région du Niger parce que c'est un appel. Cet appel a permis de sélectionner quelques dossiers qui ont été envoyés aux banques. Et ces banques aussi ont un mécanisme de sélection qui est le leur. À travers les dossiers qu'on les a envoyés, ils ont pris des dossiers pour les financer. Et il faut noter que il y avait eu environ 109 dossiers retenus. Et c'est la fourchette pour le financement fait combien Jusqu'à 10 milliards 500 millions de francs CFA. Non. Ouais. <laughs> C'est-à-dire qu'une entreprise peut, peut au moins avoir 100 millions de financement. Ah Aujourd'hui, pour toute entreprise sérieuse, vraiment avec un coaching et aussi un suivi régulier, elle doit vraiment réussir avec un investissement de 100 millions de francs CFA. Bah, le FONAP a, pour, entre autres, objectif de soutenir les efforts des petites et moyennes entreprises modernes et innovantes et votre entreprise en est une. Alors, qu'attendez-vous de ce fonds qui a été mis en place par le gouvernement C'est vrai qu'il y a du cash que ce fonds apporte, mais est-ce que le cash fait tout non, le cash ne fait pas tout, mais comprenez que le FONAP, au fait, c'est une synergie des finances, mais aussi des organismes qui accompagnent l'entrepreneuriat comme les incubateurs non seulement on vous met à votre disposition du cash, mais aussi des experts pour vous aider à mieux élaborer votre stratégie marketing, votre stratégie de communication, mais aussi développer de nouveaux produits et services qui peuvent vous rendre vraiment accessible et commerciable au Niger, mais aussi exporter. Ce qui fait que vraiment c'est un mécanisme qui est là et j'espère qu'il va faire la différence. Parmi ces entreprises qui ont été primées, il y a des entreprises qui viennent de tous les secteurs est-ce que aujourd'hui le fait que le, le, FONAP n'a pas de préférence pour un secteur ou un autre, vous, vous l'accueillez ou bien vous observez cela de bon oeil Ah, c'est Olivier, le FONAP a un critère de sélection propre à lui, c'est des experts qui sont là, ils ont élaboré et établi un planning pour sélectionner les entreprises qui devront être accompagnées. Vu qu'ils ne se sont pas focalisés sur un secteur bien déterminé, c'est ce qui fait la largesse du FONAP. Une fois que vous êtes nigérien, jeune, femme ou âgées et que vous avez une entreprise fiable, viable, qui a vraiment un potentiel de créer de la richesse, mais aussi de l'emploi, FONAP est prêt à vous accompagner. Et pour cela aussi, nous avons postulé. Et malheureusement pour nous qu'on n'a pas pu être retenu à la dernière séance avec les banques, mais je me dis que ce n'est que partie remise il y aura la prochaine, euh, la prochaine, le prochain appel à candidature. On va essayer de repostuler. Et merci beaucoup pour ce faire, play parce que pour nos auditrices et auditeurs, vous faites partie du bureau national de l'ANJE et l'ANJE bah, fait partie de, ceux qui ont recommandé la mise en place de ce d'offre. On va revenir là-dessus, mais une dernière question pour terminer cette première tranche d'interview. Au Niger, l'on reproche souvent à l'État de mener des actions plus dans les zones urbaines. La NJE, votre association dans laquelle vous militez, étant une association nationale, militera-t-elle en faveur de ceux et celles qui sont en zone rurale Exactement. Quand tu prends la e, elle est ouverte à tout jeune entrepreneur. On dit entrepreneur qui soit au formel, qui est son IF ou registre de commerce, ou bien qui a une activité vraiment, même si c'est au niveau local. L'essentiel pour nous, c'est de fédérer les jeunes-là en une association qui peut leur permettre d'avoir non seulement des informations, de la formation, mais aussi avoir accédé à des financements. Tu vois, aujourd'hui, pour toute entreprise, une fois que tu arrives à avoir de bonnes informations, une bonne formation et un financement, la réussite sera au rendez-vous. Donc, vous militez à ce que le FONA prenne en compte ceux qui sont dans les zones rurales. Exactement, exactement. Chers auditeurs et auditrices, nous allons faire une petite pause musicale pour permettre à notre invité de souffler un tout petit peu. Et la musique, que nous allons écouter fait partie des meilleures œuvres musicales du Niger. Chères auditrices et auditeurs, vous l'aurez compris, la sélection du jour met en avance la beauté, la richesse et surtout la diversité du pays, Aïr Ténéré du groupe Soga qui nous honore, qui honore l'arbre du Ténéré, un arbre miraculeux qui fut resté au beau milieu du désert nigérien et qui servait de repère pendant la traversée. Olivier, c'est un groupe de 10 membres. Le groupe Soga a été ambassadeur du Niger en chanson au cinquième jeu de la francophonie à Niamey. Le groupe Soga est l'un des merveilleux groupes du Niger et ils, ont fait connaître le nom du Niger dans le monde entier à travers leurs chansons. Notre émission Le Niger sur Kalangou se poursuit avec notre invité, Lamine Kader. Monsieur Kader, je vous voyais kiffer la chanson de Soga. Et c'est une de vos musiques préférées? Vous savez, je suis pour consommons local. Aujourd'hui, <laughs> si au Niger nous pouvons faire de la bonne qualité, je n'ai pas vu l'intérêt que nous avons à consommer quelque chose d'importé. Merci beaucoup. beaucoup. <laughs> Une bonne raison d'écouter l'émission Le Niger sur Kalangu. <laughs> Avant la pause musicale, justement, nous parlions du Fonds national d'appui aux petites et moyennes entreprises. La clé de l'entrepreneuriat, c'est également l'indépendance économique. Mais on constate qu'au Niger, les entrepreneurs vivent plus de prix gagnés lors des compétitions, des concours. C'est vrai que ces prix lancent, mais on a envie de savoir aujourd'hui, n'y a-t-il pas un risque de dépendance avec ce faux qui vient d'être créé oui, au fait, il peut y avoir risque, mais je me dis qu'avec la sélection faite par le FONAP, c'est sur des critères bien déterminés. Si tu vois une personne être choisie au FONAP, c'est parce qu'il c'est parce qu'il remplit des critères qui sont établis non seulement sur le leadership, sur l'entreprise, mais aussi sur les performances de l'entreprise. Hormis le financement, il y aura le coaching dont je, dont je te parlais. Hum. Le FONAP est un mécanisme extraordinaire et je suis sûr et certain que les jeunes entrepreneurs vont prendre ces mécanismes pour pouvoir développer leurs entreprises au lieu de dépendre des financements ou subventions pour tourner Amélie Melo leur entreprise, sachant que les subventions ne grandissent jamais une entreprise. C'est du sérieux, c'est le travail, c'est l'innovation, c'est l'impact socio-économique qui fera d'une entreprise champion. Vous êtes entrepreneur, c'est pas aujourd'hui, c'est quand même plus, en tout cas, si je me trompe pas, minimum 10 ans d'expérience. Est-ce le FONAF, le FONAP a déjà eu euh, des ressemblances d'institutions qui ont existé dans le passé ou bien c'est de la pure nouveauté dans l'espace entrepreneurial nigérien Non, c'est pas de la pure nouveauté parce que quand tu prends, ça fait environ 5 ans, 6 ans, je me dis qu'il y a un certain engagement du pouvoir public à vouloir accompagner l'entrepreneuriat. Tu as vu, hormis le FONAP, il y avait eu le concours euh, de business plan fait par la Chambre de commerce. Financé par la Banque mondiale. Exact, financé par la Banque mondiale. Il y a aussi le, concours de Total et Il y a tellement d'institutions qui accompagnent, mais je me dis qu'ils n'avaient pas mis assez de sérieux comme le FONAP. Mm. Et je le réitère, les jeunes doivent vraiment s'approprier du FONAP positivement pour développer leurs entreprises que de dépendre. Alors, il y a eu des initiatives est-ce que ces initiatives n'avaient pas atteint leur objectif C'est pourquoi l'État a lancé le FONAP Ou bien c'est juste parce que il y a eu un manquement et puis maintenant l'État a pris les choses en main On a envie de comprendre un peu. Dès ben là, je peux pas répondre correctement à ta question, mais la meilleure des solutions, c'est de poser aux gérants de ces initiatives-là. Mais moi, étant entrepreneur, je me dis une chose, même si on fait, on a envie de mieux faire. Il y avait ce qui faisait auparavant, mais maintenant FONAP est une nouveauté et aussi un mécanisme fort appuyé par le ministère de Finances, accompagné par les banques. Là, je me dis que c'est vraiment une nouveauté. Tu sais, au Niger, les entrepreneurs ont un sérieux problème. Hum. Comme tu l'as bien su dit, j'ai environ 10 ans d'expérience. Et pendant toutes ces années d'expérience, j'ai fait des négociations avec des banques. C'était vraiment difficile d'avoir un prêt, même avec garantie, parce qu'ils n'ont pas confiance. Mais si c'est l'État si c'est le ministère de Finances, si c'est des partenaires sérieux qui t'accompagnent, en mettant à ta disposition un dispositif fort de managers, de conseillers techniques, ça doit réussir, ce qui fait que les banquiers seront en confiance pour accompagner l'entrepreneur. Et vraiment, cette fois-ci, c'est une nouveauté, parce que tu as un appui. Par contre, dans la subvention, pardon, dans le financement, c'était environ 10 milliards qui a été retenu. Le FONAP dépose une garantie de plus de 7 milliards. Tu vois C'est ce qui nous manque et je me dis que c'est une nouveauté et les entrepreneurs feront vraiment un très bon usage pour leur propre développement. Bon, on leur souhaite bonne chance. Merci. Et attendez, Monsieur Kader, nous ne pouvons pas terminer cette interview sans aborder les autres difficultés rencontrées par les entrepreneurs nigériens. Et le FONAP est une partie des solutions. Quelles sont vos attentes futures en tant tant qu'entrepreneur? Quels conseils pouvez-vous donner à nos jeunes frères qui nous écoutent actuellement? Merci beaucoup pour cette question très capitale. Vous savez, j'ai dit tout le temps aux jeunes de chercher les informations, de se former et aussi entreprendre. Le conseil que j'ai à donner aux jeunes, qu'ils soient entrepreneurs ou pas, c'est d'être actif. Aujourd'hui, avoir une activité est une des sources cruciales pour réussir sa vie. Être actif est vraiment synonyme d'une contribution positive pour le développement socio-économique du Niger et aussi avoir un impact direct sur sa propre famille. L'entrepreneuriat est un outil qui nous permet non seulement de nous auto-employer, mais aussi créer de la recherche et des emplois. Je conseille les jeunes à entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est le succès. L'entrepreneuriat, c'est l'avenir. Merci beaucoup, monsieur Lamine Kader, et nous aurons le plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro, justement, pour parler de votre entreprise ou bien de faire votre portrait. Ça sera un plaisir pour nous. Merci quand même d'avoir passé. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup, monsieur Kader. Notre rendez-vous continue hein, sur les zones des radios partenaires du studio Kalangou et nous poursuivons avec notre rubrique hebdomadaire avec monsieur Abdelmoumouniali qui nous propose un sujet sur le comité des gestion des établissements scolaires. Monsieur Niali, bonjour. Bonjour Olivier. Donc euh, venons-en à notre euh, entretien. Nous allons parler aujourd'hui de la CDGS, qui est un comité de gestion des établissements scolaires. C'est à peu près l'équivalent de ce qu'on appelle ordinairement les COGES. Mais la particularité ici, c'est que les COGES, c'est au niveau du secondaire et la CDGS, c'est au niveau des écoles primaires. Et Monsieur Nyali, comment le budget est-il mobilisé Le budget pour euh, le fonctionnement de cette euh, organisation ou bien cette structure est bien établi. Donc euh, les différents membres du comité les différents membres du comité qui vont s'en occuper vont faire leur planification. Ils vont faire les différentes rubriques qui concernent l'éducation au niveau du milieu scolaire pour alors, Monsieur Niali, est-ce que vous avez, euh, ben, euh, que vous avez réalisé un entretien pour nous Oui, bien sûr, Olivier, j'ai réalisé un entretien avec euh, l'inspecteur Wassalke Boukari, Bachirou, excusez-moi, de l'inspection primaire Kouri. Dans notre jargon, quand on dit COGES, c'est au niveau du secondaire. Mais au niveau du primaire, c'est le CGDES le comité de gestion des établissements scolaires. Ces COGES euh, sont institués par arrêté ministériel et c'est des organisations qui nous permettent de gérer la question de l'école avec la communauté. Le CDGS, Comité de gestion des établissements scolaires, comment il est mis en place Dans une localité où il y a une école, la première structure à mettre en place, c'est l'APE, l'association des parents d'élèves qui regroupe tous les parents d'élèves, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Ils choisissent des membres qui vont représenter la communauté et qui vont répondre à toutes les sollicitations de l'école. En mettant ces structures, nous les sensibilisons chaque fois de faire en sorte que si c'est un village, qu'il y ait un représentant de chaque quartier hommes et femmes. Si c'est un village à habitat dispersé, parce que la plupart de nos brousses sont des habitats dispersés, tu peux trouver le village mère, mais il y a quelques-uns qui peuvent habiter dans leur champ à 2-3 km. Donc on doit tenir compte donc de leur euh, dispersion pour prendre des représentants dans chaque petit hameau. Comme ça, dès qu'il y a quelque chose, l'information, ça va circuler partout. Après, l'association des parents d'élèves la question de femmes, la question du genre est encore mise en exergue. On met une association des mères éducatrices parce que les femmes, entre elles, se gèrent mieux qu'avec les hommes. Donc là aussi, on choisit, c'est la même procédure, mais cette fois-ci, c'est uniquement des femmes. On choisit un comité de 5 à 7 femmes qui sont un peu éparpillées et qui sont vraiment dynamiques et qui peuvent se mettre à la disposition en tout cas du village. Après l'AME maintenant, au niveau des élèves, le gouvernement scolaire, cette question est un peu négligée dans certaines écoles, dans certaines inspections, mais quand même, il serait bon que les élèves pour lesquels nous nous débattons soient aussi organisés. Eux aussi, ils ont leurs représentants. Maintenant, on met un petit comité restreint qui peut se réunir à, à tout moment de sept membres et ces sept membres-là proviennent des trois structures. Si vous prenez l'APE, c'est le président de l'APE là qui devient le président du CGDS. C'est maintenant le représentant des enseignants qui est le directeur d'école, qui est le secrétaire général de ce CGDS. Une femme de l'AME, c'est elle qui est nommée trésorière. C'est toujours souhaité que, en tout cas, euh, la question de trésorerie là, soit gardée par une femme pour éviter en tout cas des détournements. Comment cette structure contribue au bon fonctionnement des établissements scolaires Chaque année, ils font une planification une planification annuelle qu'on appelle plan d'action annuel. Le plan d'action annuel est structuré en beaucoup de volets. On prend un volet par exemple qui va leur permettre de garantir la stabilité, la sécurité, la fréquentation des élèves on peut prendre un volet qui s'occupe maintenant de tout ce dont l'école a besoin pour fonctionner. Et il y a encore un volet qui prend en compte vraiment l'aspect apprentissage des enfants. Et maintenant, on essaie de budgétiser tout ça là. Et le budget est alimenté par les parents. Merci beaucoup, Monsieur Niali. Grâce à cette interview, on a compris c'est quoi le CGDS, comment ça marche et surtout le fonctionnement. Et ben, les femmes qui gèrent l'argent, c'est toujours une bonne idée. Merci Olivier et bon courage. Bah merci, on te retrouve euh, la semaine prochaine. Merci Monsieur Ngeli, Le Niger sur Kalangu continue et c'est le moment pour nous de faire voyager avec la rubrique éco des régions. Oli on va aujourd'hui Aujourd'hui, nous partons à Difa, à plus de 1000 km de Niamey et nous parlerons d'une maladie qui attaque les plantes. Les cultures de blé dans la région de Difa sont affectées par une maladie. Il s'agit d'un champignon selon le déter de l'agriculture qui détruit les récoltes. Une infestation qui est nouveau pour eux. tunda tunda ruwan kogi suka fara janya mutane da kakin ma su samu mu fara ba da tallafin gwamnati da yan fushi duk mana mu sun nemi irin su ruwan yana ja suna sa ruwan yana janya suna shi kayan su yanzu a haka in ka tai kasuwa da komai da komai kana samu yanzu matsalar da muke fuskanta akwai wani champignon da ya hoto charbon charbon da yawancin bisan culture pluvial ne muka sani kamar dawa hatsi to yanzu bana wannan in bisan alkama da da wannan muka samu da orange mun wanda suka suka riga wanda suka fara sa suka yi shifkan su tun a fari da yake shifkan nasu har ya kai wajen EP zone ko New zone bisa EP in sai kaga wannan champion din da duk ya mamaye EP ne kenan wannan abun sabon abu ne da abun ga Sharwon yake ta Sharwon Sharon Sharwon in da ba mu saba shi bisa wannan kiltur irige me bana ya to wannan Sharwon ya mamaye mutane suna kawo suna yawan kawo mana koke koke shi ko su zo mana da wannan a cewa kamar ciye ciyen kwari ne su zo neman magani ko shi wannan ba kwari bane kamar champion ne shi ko kenta champion ne dama da kuma tun daga iri de leur côté les agriculteurs sont inquiets pour leur culture et demain de l'intervention des spécialistes pour sauver leur récolte. Moussa Abari, agriculteur. akwai abin da ake cewa shayar duka ina yi yau sama da shekara ashirin nike yi amma bana ku cutar da wanda na gani da a cikin hasi ne nike gani amma yanzu cutar nan ya zo alkama da su shayar wannan duka sun zo to wannan abubuwa kwanaki baya da suka wuce inundation da ya damu mutane kuma mutane kuma suka koma noma wajen to wannan duka abubuwan sun sa to yanzu in ba kawo doki akan wannan abun ba gaskiya talakawa za su shiga halin kakanike eh gwamnati da masu hannu da shuni su kwakwarta a yanzu yanzu ne ya kamata a kawo magunguna wanda za a fesa wannan kwarin su kashe saboda kar su shiga wani abu wannan abubuwan suka bace sannan za su shiga wani hali daban daga can kuma asara kuma anan asara kenan abin da za a shiga Allah ya guda ya sani Selon le directeur de l'agriculture, d'ores et déjà, des dispositions sont en voie pour résoudre ce problème. En attendant, il recommande aux producteurs le respect de certaines mesures in ma nasu ne ko wanda ba sani ba duk akwai abin da ake cewa fungicide ko ne foda pudur wanda da manoma sai sun garwaya irin nasu da suke shifa ko suke watsa me yanzu duk manoma mu ya kai inda ba su neman abin wannan abin ga fungicide me shi ko wannan champignon maganin shi kurum fungicide kadai ne Merci beaucoup Guidi, que nous allons retrouver depuis DIFA. Bonjour, bonjour Monsieur Guidi. Oui, bonjour. Ah ben, vous voyez des plantes qui sont ravagées, ça touche hein, jusque dans les studios du studio. Dans les locaux du studio Kalangou, on perd les mots, on ne sait plus euh, quoi vous dire. Maintenant, est-ce que les producteurs, il y en a qui ont déjà perdu beaucoup de choses Oui, effectivement, parce que euh, euh, il y a certains villages qui sont vraiment comme Blangouri, Lada, Kulokura, Madou Kauri, ils sont tous c'est des villages qui ont vraiment, qui sont touchés par ces, euh, ils sont infectés en tout cas par cette épidémie. Monsieur Guidi, bonjour. Oui, bonjour. C'est tout Kadir du studio Kalongo. Oui. Et monsieur Guidi, est-ce que présentement ils ont eu des solutions par rapport à ça? Oui, effectivement, euh, euh, l'agriculture, la direction de l'agriculture est au pied d'œuvre Actuellement, ils sont là, ils sont en train d'amener des soutiens à ces agriculteurs. Comme j'ai entretenu avec M. Euh, monsieur le directeur, il m'a tout expliqué, c'est qu'ils sont là avec euh, eux, ils ont commencé à donner des produits pour euh, avoir la solution. Alors, Monsieur Guidi, on est en début d'année et les cultures ont des problèmes. Est-ce que vous avez essayé de savoir si cela pourrait avoir un impact sur la sécurité alimentaire dans la zone effectivement, si, pas, si on n'a pas pris en charge cette euh, épidémie, il peut vraiment impacter euh, l'alimentation ici. Bah, euh, bah, on espère que d'ici là, il y aura des solutions. Merci à tous nos auditrices et auditeurs de DIFA. On vous souhaite une bonne journée depuis DIFA. Merci. Nous profitons de ce moment de radio pour saluer chers nos chères auditrices et auditeurs de la région de Difa. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous passer des salutations via le numéro WhatsApp 82 89 89 64. Et Oli, maintenant, nous allons poursuivre en mode sport avec notre chroniqueur du jour, Adam Sariou. Adam, tu as quoi pour nous aujourd'hui Alors, bonjour tous. Bonjour Adam. Nous allons débuter cette chronique sportive avec le sport roi du Niger, la lutte traditionnelle. Il y a quoi à la une, Adam Eh bien, salam à tous. Sachez bien que la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle a dévoilé la liste des lutteurs sélectionnés pour le TOLAC. Bah, c'est quoi le TOLAC eh bien, Oli, le Tolak, c'est un tournoi de lutte africaine qui réunit les pays membres de la CDAO. Et Adam, je suis sûr que nos auditeurs et auditrices aimeront en savoir plus sur euh, le TOLAC. Et sachez aussi que au fil des éditions, cette compétition a gagné en maturité, en autorité, tout en devenant un agréable cadre sportif et culturel. Ce tournoi contribue également au renforcement des liens de solidarité et d'amitié entre les pays membres de la CDAO. Et Adam, comment ça se passe de l'autre côté Ces, compétitions-là se jouent par catégorie ou bien comment Cette compétition se joue par, par catégorie, à savoir les catégories de moins de 106 kg jusqu'au plus de 100 kg. Et nous avons au total cinq catégories. Dans chacune des catégories, chaque pays inscrit trois lutteurs, ce qui fait 15 lutteurs pour, chacun, pour chaque drapeau. Et cette année, c'est Niamey qui va accueillir cette euh, compétition. Quelle est la liste des lutteurs sélectionnés par la FENI Lutte Et oui, Salamatou, c'est la capitale du Niger, Niamey, qui aura le privilège d'abriter cette nouvelle édition du TOLAC du 17 au 19 mars 2023. Alors, dans cette liste, nous avons des noms connus de tous. Dans la catégorie de moins de 106 kg, nous avons Salam de Zender, Djamilou et de Maradi, Haliru Aminou de Telaberi. Dans la catégorie de moins de 116 kg, nous avons Mansour Issa de Difa, Murtala Abdou de Zender et Anas Amadou de Telaberi. Dans la catégorie de moins de 86 kg, nous avons Aminou Ibrahim et Ibrahim Abba de Niamey, Mati Souley de la région de Maradi, dans la catégorie de moins de 100 kg, nous avons les trois lutteurs qui sont considérés comme les futurs rois des arènes, à savoir Nour Hassan et Zakiru Zakari de Tawa, Aibo Hassan, demi-finaliste de la précédente compétition nationale euh, qui s'est déroulée à Difa précisément. Dans la catégorie de plus de 100 kg, nous avons Abdusalam Semela de Tawa, Adamou Abdou de Niamey et le roi des arènes Kadiri Abdoudi Isaka Isaka de Dosso. Et une info pour nos auditeurs et surtout pour les vrais amateurs de lutte, dans un article publié le 4 février 2023 écrit par Abdou Indour, un blogueur sénégalais, il cite comme toujours le Niger porté certainement par son quintuple sabre d'or, le lion de Dosso Isaka Isaka, sera l'un des plus sérieux prétendants au titre chez lui. Merci beaucoup, Adam, pour euh, cette chronique sportive. On te retrouve pour la prochaine. Merci, à bientôt pour un autre numéro. Merci beaucoup, Adam. Nous remercions Adam Sariou pour cette chronique. Chers auditrices et auditeurs, le moment est unique dans les locaux du studio Kalangu. Eh oui, lieu celui qu'on reçoit aujourd'hui, c'est un artiste musicien. Il est pianiste. Et en direct, nous allons dresser son portrait. Abdoulaye Ekawel alias Tibidi. Tibidi est dans la place. Bah, on veut t'écouter.

de 54 ans, il a commencé sa carrière de guitariste depuis 1990, soit plus de 30 ans de carrière. Pour son portrait, il est avec nous ce matin. D'abord, commençons avec le nom. Tibili. Maintenant, tu laisses la guitare et tu nous réponds. Comment tu as eu ce nom, Tibili Tibili, c'est le nom des artistes. Ah ouais. Lorsque je prends la musique, mon patron il m'a dit Comment tu t'appelles euh, Je lui ai dit Abdullah. Il a dit Tu n'es pas prénom J'ai pensé, j'ai trouvé Tibli, je l'ai donné. Quoi C'était instantané comme ça Oui. C'est venu comme ça dans le hasard. Oui. Le nom de Depuis en enfance, en fait, j'entends, on m'appelle comme ça. Le nom, de. je, je, trop petit, quoi. Ah, ok, c'était par, par rapport à ta taille. Oui. Ben, petit de taille, mais pas de talent quand même. Parce que la guitare est un instrument de prédilection dans la musique touareg et chaque artiste touareg a une histoire particulière avec cet instrument. Vous, quelle est votre histoire avec votre guitare Mon histoire avec guitare, là, c'est beaucoup. Hein. Ah bon Bon, on n'a pas de temps. En une minute, vas-y, dis-nous. Vous pouvez même nous expliquer ça en langue, hein, si vous voulez. En langue touareg hein? Non, en langue haoussa. En langue haoussa. Comment il y en a dit quoi Vas-y, en langue haoussa. Parce que le phare, il a atelier soudure, hmm. il a soudé, il a un gourmet en argent, une autre Hmm. Après, j'ai vu un Germain, il joue la guitare, secou. Il y a des enfants de qui à Arlette. Il est en train de jouer. Et ça tombé dans mon cœur. J'ai dit, comment il jouait ça là? Ça, c'est bon, ça rentre dans le cœur, quoi. Et ça t'a inspiré Il faut, que je le prenne. Ouais. Maintenant, j'ai laissé même se dire là, je prends guitare. Ils m'ont compris, ils la cachent la guitare. Après, je reviens, je la lève. Quand ils, ils sont dans le travail, moi, je reviens à la maison, je prends guitare, je joue, je joue. Et c'est même pas pour ça parce qu'on t'a appelé Tibi. Oui, j'ai eu le progrès. Super. Après, j'ai rencontré Abdallah Lambadougou. Mm. Hum, Abdallah avec Ousmane Mouli, hmm. ils sont hmm. décédés tous. Hmm. C'est des artistes du de Niger grands. Qui t'ont inspiré. Oui. Alors, toi, aujourd'hui, tu nous as dit que tu as laissé la force pour faire de la musique et tu n'as pas fait la musique pour avoir de l'argent, tu as fait de la musique parce que tu aimais faire de la musique. J'ai aimé faire de la musique. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à gagner ta vie avec de la musique J'ai perdu beaucoup de choses à cause de ça. Je s'en fous de l'argent, je gère rien. Moi, je joue la musique seulement. Mais vous jouez la musique pour tout le monde. Et maintenant, on a des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent aussi. Ils aimeraient comprendre ce que vous racontez. Il faut nous raconter ça en ça Oui, si je sais que je raconte vraiment, ici, je raconte le Niger, on veut la paix, quoi. L'Afrique même entière, on veut la paix. Euh, tu as vu quoi Les enfants aussi, chacun, il faut, chercher un travail à faire, même si c'est de la musique, même si c'est des garages mécaniques, euh, quelque chose il faut faire. il faut jouer un tout petit peu quelque chose pour nous ici dans le studio pour Estudio studio Kalangu. Chante pour le studio Kalangu, on va écouter ça en direct. Kalangu,

pour ce beau moment de radio merci, que tu nous as offert. Merci beaucoup, <laughs> pour ce temps passé avec nous. Bah, pour te laisser partir, est-ce que tu as des projets Tu as des singles en studio Tu as un album à préparer J'ai un, album que je fais avec des blancs. J'ai un album que je fais avec des tempêtes, du déserts. J'ai travaillé avec beaucoup de groupes. Mm. Le Tchakou Tchakou d'Arlette, euh, c'est mon élève, c'est moi qui ai informé ces gens. Mm. J'ai créé un groupe ici à Yamé, euh, Tempête du déserts. On a eu beaucoup de prix. Euh, tu l'as eu deuxième prix. Moi, j'ai eu de, 2003 à Tara, deuxième prix. On a eu premier prix de 1 800 000 à Yamé, présenté en de Tabastaka. Félicitations pour ce. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai trouvé des médailles en argent deux, deux fois. Bah, merci beaucoup pour toi et pour ce grand artiste que tu es. On va te laisser partir, mais tu ne vas pas partir seul, tu pars en musique. Merci beaucoup Tibidi, chers auditrices et auditeurs. Vous l'avez compris, il est avec nous ce guitariste qui nous fait le bonheur et l'honneur de chanter pour nous, chanter pour le studio Kalangu, pour tous nos auditrices et auditeurs. Bye bye. <laughs> en début de mission, nous l'avions promis, un portrait en direct. et Eh bien, c'est fait. Merci à toi, Tibidi. Tu reviens quand tu veux. Tu es à la maison ici. Merci beaucoup. Charles, <laughs> Merci beaucoup, merci beaucoup, Monsieur Dibidi. Belle transition. Et maintenant, nous allons souffler en musique avec le titre que, avec le titre, euh, comment, je, attends, ça, ça, hmm. ça est où là? Hmm journée de la concorde, un titre que je ne sais pas. Bon, c'est des groupes euh, musiciens qui se sont réunis pour chanter pour la journée de la concorde. cette euh, belle mélodie, nous allons continuer avec la rubrique Loti des femmes du studio Kalongo. Et dans le Loti de ce jour, les femmes du studio Kalongo nous proposent un sujet sur l'encens, ce parfum traditionnel aux vertus innombrables et qui n'est pas sans danger. affairage, affairage. affairage. affairage. sans le poisson comme ça. Ou bien tu n'as pas bien lavé la serpillère. Si, tanti. Hum. Apporte-moi vite un peu de braise pour mettre de l'encens. Comme toi, tu ne sais pas les faire. Tanti, je voulais le faire après ma lessive. Hé, donne-moi juste ce que je t'ai demandé. Mhm. Voilà, ça commence, c'est bon. Je retrouve enfin mon salon. D'ailleurs, je rajoute encore. Zoéra, viens m'augmenter les braises. Tanti, c'est beaucoup, hein. Il y aura trop de fumée, ça rentre même dans mes yeux. Est-ce que ça te regarde Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Eh, ma cocotte, qu'est-ce que tu fais sous ce soleil ardent Je fais une course, ma chérie, dans le quartier et j'ai voulu te faire une surprise. En tout cas, c'est réussi. Comment tu vas Et ta famille Le boulot Alhamdulillah, tout va bien. Et de ton côté Ça va aussi très bien. <coughs> <coughs> <coughs> Mais ma cocotte, ton enceinte là. <coughs> Mais tu as mis de trop. Tu vas nous asphyxier. Non, ça ne fait rien, toi aussi. C'est toujours comme ça que j'aimais mon enceinte. Comme ça, ma maison sentira très bon toute la journée. N'incrimine pas mon enceinte pour ta toux. J'espère seulement que ce n'est pas Covid que tu m'as amené. <coughs> Et eh, tu vois là, moi la toux, là, ça m'empêche même de m'exprimer. <laughs> c'est trop, c'est trop, ma chérie. Non, non, non, c'est la fumée seulement. J'ai pas la Covid. Mais toi, tu ne sais pas que la fumée d'incendie dégage de l'air des substances toxiques pour l'organisme, des particules fines, nocives pour les voies respiratoires et les poumons. Habakeko. Ah <laughs> toi, tu recommences avec tes histoires à dormir debout là, madame la connaisseuse. Eh, écoute, c'est très dangereux de faire ça, surtout qu'il y a des enfants de la maison. Ils sont plus fragiles que nous. Les femmes mettaient de l'encens depuis la nuit des temps. Nos mamans aussi. Et personne n'en est mort. Ne parle pas comme une ignorante, s'il te plaît. Tu sais, l'encens là, c'est des morceaux de bois avec des produits synthétiques. Deux que ça rentre en contact avec le feu, des substances toxiques sont émises dans l'air et nuisent à la santé. Hum, madame la scientifique. Hé, ma chérie, attends. Je te raconte une histoire. Tu connais ma voisine chic chic là Celle qui met l'ancien matin et soir, midi. Pire que toi Ah oui Elle sent toujours très bon la dame là. Quand elle passe, tout le monde sait que c'est elle. Voilà, tu as bien compris. Elle est présentement très malade, avec des problèmes respiratoires chaque fois. Subhanallah Elle avait l'air bien en forme. Selon sa famille, les médecins lui ont indiqué c'est qu'elle a humé beaucoup de fumée et ses poumons n'ont pas pu supporter. Elle fumait chicha donc Pas du tout. C'était à cause de son enceinte. Et aujourd'hui, elle n'utilise plus ce genre de parfum. Mon Dieu, comment je vais faire pour que ma maison sente bon alors Tu sais, il n'est pas dangereux d'utiliser l'encens, à condition de l'utiliser avec modération. Si je comprends bien, c'est quand on abuse que c'est dangereux alors. Tu as bien compris. Quand une maison est propre et bien entretenue, pas besoin d'enfumer les gens, vraiment. Les cendre brûlés sur de la cendre chaude Dégage moins de fumée que si les brûlés sur des braises vives. Aïe bien la pièce pendant et après la combustion. C'est la petite fille manga qui te parle, ma chérie. <laughs> Tout d'accord. Merci pour tes conseils, la petite fille manga. Zouera, viens prendre l'accessoire-là. Je ne vais pas rendre mon mari et mes enfants malades pour rien. Senti, je vous avais dit que la fumée était beaucoup, non elle eh, hey, quitte là-bas. l'abus de tout est nuisible. L'ensemble aussi, bien évidemment, chers auditrices et auditeurs, la, la modération est très importante. Merci aux femmes du studio Kalango pour ces beaux conseils. Sally, j'espère que tu as retenu de nouvelles choses. Ah, bien sûr, Oli. Culture linguistique, à présent, c'est notre rubrique quotidienne dans laquelle nous décryptons de nouveaux mots. Et le mot du jour, c'est le mot corruption. Soumana Amadou est avec nous pour le décryptage. Soumana, bonjour. Bonjour à tous. Le mot du jour est la corruption. Effectivement, la corruption est la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessin. pour le corrupteur d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières pour le corrompu d'obtenir une rétribution en échange de sa complaisance. D'autre part, la corruption est le fait d'utiliser sa position de responsable d'un service public à son bénéfice personnel. Cette corruption est devenue un fléau mondial. Elle serait aussi le principal obstacle au développement économique et social dans le monde. Eh bien, au Niger, la corruption est punie par la loi 2017-10 du 31 mars 2010. Précisément, le Code dispose qu'il est puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à moins de 10 ans et d'une amende de 50 000 à 1 million de francs CFA quiconque intentionnellement promet, offre ou accorde directement ou indirectement à un agent public de l'État un avantage. D'une manière générale, la loi nigérienne punit sévèrement la corruption sous toutes ses formes, à travers des peines diverses selon le degré de l'infraction. Mais la spécificité est qu'en cas de corruption, c'est toutes les parties concernées qui sont punies par la loi. Alors le corrompu, tout comme le corrupteur, tombe tous sous le coup de la loi. Et Monsieur Soumana, ah masha allahu e eh, salamatu mi fammina on jeynaari Kawono, wonno aɗa woodi ko jiɗɗa sey keɓa kokka seeɗa gam batte allah e gaɗanoma on heɓa seɗɗa andu konnan keɓa ko jiɗɗa ɗum fe si a wala lawol keɓaɗo kañum wiyete jeenaari na mummel kokkel naadu konnan sornude wonko heɓa tawe keɓa ko a hana hedde ɗum naadu konnan keɓa laamugo na keɓadu konnan lawol na sukama heɓa lawol e nder majjum to sey tawama kanko kokketeɗo o du monsieur soumana merci beaucoup le temps est contre nous je pense qu'il faut faire une édition spéciale pour euh, la tradition fufulde et nos auditeurs et auditrices le méritent bien évidemment merci encore nous te disons infiniment merci d'avoir partagé avec nous les contours du mot corruption Merci, amis auditrices et auditeurs. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous recevons Rafika Atar pour les titres de l'édition de ce soir. Bien évidemment, avant Rafika Atar, Salit, t'as peut-être oublié, nos auditrices et auditeurs ont leur temps dont le Niger sur et c'est leur, leur moment, c'est votre moment. ayar kwara aygo hangan irbon ay feri hay kul de kanga anda mise lakkal cande ko yergo mara kalangora bon fera zankayɗo har lokkol o cawandiyango ka hi lokkol ki hijandiyango gaabi hijandiyango e ni ade ɓorayimo goro ko fakari bondin gorgo sino nin din talama nin din ñaysay akkulu min ame bon fera idduwa kolangora alhamdulillahi ceeŋo kirgo tonandi ɗo de im sobay ko tonton ɓoray bo gay mi yeke feeri ko tonton zan ɓoray bo gay feeri borgo bay mat no gorondin ñayso no bay mat no gorondin gorgo sino nogo bay mat no gorondin yiso bum bo na hay sunana sabitu salisu kailu ni mutumin banda ne kuma na kasance mai sauraron radio kalangu ta ƙarƙashin radio ikrawa wannan radio na kalangu muna jin daɗin shirye-shiryen shi wanda ba zai iya misaltuwa ba musamman shirye-shirye da suke sawa kamar wanda yake ilmantarwa sosai kamar deba akwai amini na wanda yake ya mai malam ashiru armiya'u ina mishi fatan alkhairi ina gaida shi da kwai kuma amini na a garin agades malam abdulkadir kenan kenan aino ti abdulaziz ne sin sun wado na go gini da yon kan gwai sai dai gati ayo borno kan studio kalangu e mi hangan gungungumo isigira kai go temo aga kane sai hal hal hal man temo so ai ga koda logo fo me kan sen kan go ne mo ko fonda bon ai ga abdullahi fo kan go no dini konni ekti koda mekan kan se kango sin do isigire din ki go te alair go ma ibon kani zama igo ga rian te kan bon fere go gudu ya go bore avantage bora kenda go charban da watu kul himu sudar ki gine abdulaziz kango ne sin songodo ai ga duzo kango sin songodo dushko ga fo no mu mekanisyen kan sigine manye aino fati kalidu kango do so cidiyo kalanguna ga hangan isigire gira ki goga te ga bejandi surtout su jira ki te ga hamba ni fonday bon sango ay goga fo nan nandi alaza abubakari kango tera hare ai ga tawai babu fo kango haro banda. Eh, sunana Abdullasar Asmana, mushe makaranta ne zangon mulul kuma cikin ƙasar da kwaro. Eh, gaskiya muna matuƙar godiya da wannan shirye-shirye na studio Kalangu paske su ne suke ƙayatar da mu suke ba mu information duka irin wanda muke jin daɗin shi. Hamma bisa ga al'amari wanda ya shahi karantar dawa da wayar da kai da suke yi bisa ga al'amarin uwayen ɗiya. Na gode sosai. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs. Votre plaisir est notre plaisir. Le plaisir est alors partagé. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous recevons Rafika Atayer qui n'a que une minute pour nous parler des éditions de ce soir. Eh bien, bonsoir Olivier. Depuis quelques temps, la situation météorologique est caractérisée par une brume suivie de poussière. Dans l'édition de 17h, nous aurons les explications du service de la météo sur le phénomène et sa durée sur le temps. Nous irons ensuite dans la région de Tilaberi où une centaine de femmes relais communautaires sont formées sur la planification familiale. Après, elles seront déployées dans des villages où le besoin se fait sentir. Enfin, le magazine de l'édition portera sur la valeur nutritive de la graine amère du Hansa. C'est une plante qui est très utilisée pendant la période de sécheresse ou de famine dans certaines régions du Niger. Merci beaucoup Rafika Ater. Merci auditrices et auditeurs. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Les programmes du studio Kalangou se poursuivent et surtout on retrouve Rafika à 17h pour édition. Merci beaucoup et au revoir. Bonne suite de journée à tous. Prenez soin de vous. Thank you.